Mais Amekanda Sam. Ok, parlons de la vie Massa. La vie Massa, c'est quoi la vie Massa C'est quoi la vie Massa Pour tout dire, c'est une philosophie. Massa, tout qu'on euh, fait, c'est du hamburger ou c'est quoi Tu as un peu raconté l'histoire. Raconte-moi l'histoire de. Ah? <laughs> J'explique un peu. <laughs> Eh, eh, eh, explique-moi le concept Massa. Euh, voilà. Déjà, je vais te raconter un peu l'histoire. Raconte-moi l'histoire. rapide. Ok. rapide. Euh, j'ai un ami, euh, le Nick Romeo. Ok. On a grandi ensemble. Nicro L'unique Romy Romeo. L'unique Romy Romeo. Tout toute la femme. <laughs> ok, ok. Donc, on a grandi ensemble, c'est mon voisin. Ok. Euh, si tu veux, on était genre vraiment dans dans une galère. Quoi, ouais, la galère, ouais, bien sûr. La galère, tu vois, non La vie, c'est massa. Ouais, et, un jour, <laughs> et, un jour, <laughs> et un jour est venu, genre, Ndinyama Sono, quoi, tu vois. Oh. Et c'est de là que l'idée est venue, la vie, c'est massa. Oh, Ndinyama Sono, quoi. Voilà. une quoi. En fait, c'est ça, en fait. La vie, elle est imprévisible. Tu sais jamais de, quoi il en est, quoi, tu vois. vois. ok. Aujourd'hui, t'es bien, demain, tu peux être mal. Aujourd'hui, t'es mal, demain, tu peux être bien. C'est ça le concept, la vie, c'est massa. Hein. Voilà. Donc, c'était devenu le mot de quoi entre lui et moi. Ok. La vie, c'est quoi La vie, c'est massa. Tu vois, ah, Barbarno, fait. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. Donc, Ndinyama Barbarno, c'est de là qu'est venu le concept La vie, c'est Massa. Rien ah, n'est. Avant la série, hein Ouais, bien sûr. Avant la série. Je parle de 2008, 2009, 2010. Super. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que tu brilles au sein, donc, euh, bien évidemment, de cette série. Ça mhm. raconte. La vie, c'est Massa. Tu as une fois raconté aussi que Massa, c'est quoi C'est pancake euh. Ouais, au fait, j'ai voulu vraiment donner de la valeur à nos Culinaire, ok Ok. et La vie, c'est ça et tout ce qui suit. Aujourd'hui, moi, je, vois des Ivoiriens. Mhm. J'ai plein d'amis Ivoiriens, cinéastes et tout, acteurs et tout. Ça me fait mal quand, quand je vois les Nigériens essayer d'imiter les, Ivoiriens avec leurs mots, leurs jeux de mots. Toi, tu as préféré, euh, euh, n'est-ce pas, rester authentique. Authentique et créer notre propre truc à nous. Tout le monde va dire. C'est nous ouais. Ouais, oh. c'est à nous, quoi. Oh. Aujourd'hui, des Blancs me demandent c'est quoi Kadassam. J'ai dit, ouais. Ouais, ça, c'est bon, pas. Viens, je t'explique t'expliquer c'est quoi Tu vois un peu. Et ils me demandent c'est quoi la vie, c'est Massa Je leur explique, tu vois, un peu. Je mm. leur dis, il y a aussi une bouffe derrière tout ça et c'est le massa, quoi. Ok Et massa, c'est C'est du pancake. Pancake. Et c'est ça avec du miel, tu vas kiffer. Et en dehors de la vie, c'est massa, tu as aussi un autre concept. Hein. Je ne sais pas, c'est un burger ou je ne sais pas, tu m'as une fois expliqué un peu, eh, Bourne Tchétchéna, comment est-ce que. Ça ouais, le le sandwich, quoi. Le sandwich. ah, c'est sandwich. Ouais, ouais c'est <laughs> du sandwich, quoi. <laughs> Ouais, c'est du burundi et puis du Tchétchéna, quoi. Et les gens, ils ont essayé ça. Ok.